The forum du studio le forum du The Kalamkou le forum du The Kalamkou le forum du The Kalamkou le forum du The Kalamkou le forum du The Kalamkou le forum du The Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Il est 18h, passé de 15 minutes à Niamey. C'est l'heure du forum du studio kalungu Au micro, Nafis Adam Sirfo. Monsieur, dame, bonsoir et merci de votre fidélité. Les programmes du studio Kalongo sont diffusés par un réseau de 31 radios partenaires repartis sur l'ensemble du Niger, dont les dernières à rejoindre notre réseau de diffusion sont Kausen Darlit, Sahara d'Agadez, Damergou de Tanout, Dilerem de Gindimi, Mombio de Kablewa, Saraouni de Madawa, la radio Mouria Dakoro du Dakoro, Dalol de Dogonduchi la radio Barou de Wallam, Liptako de Tira et Kwaretegi FM, la radio des scouts située dans le deuxième arrondissement de Niamey. Notre page Facebook à Studio Kalangu, notre site internet est www.studiokalangu.org. Comment aborder la fête de Tabaski face à la crise énergétique au Niger C'est la thématique du forum de ce soir. La fête de Tabaski, l'aide El Kébir ou fête de sacrifice sera célébrée dans le monde musulman la semaine prochaine, vendredi pour certains et samedi pour d'autres. Une fête qui commémore la dévotion d'Ibrahim. À l'occasion, il est recommandé aux musulmans de sacrifier une bête, de préférence un bélier appelé aussi mouton. Au Niger, chaque année, à l'occasion de cette fête, des centaines de milliers de moutons, voire plus, sont égorgés, puis consommés et ou distribués aux plus nécessités. Ce rituel donne lieu à des grillades géantes de viande et à une consommation excessive de bois pour allumer les bûchers et confectionner des brochettes géantes. Selon les environnementaux, une très grande quantité de bois est utilisée, voire gaspillée en une seule journée, c'est-à-dire le jour de la fête de Tabaski. Ainsi, dans ce forum, nous allons voir la consommation annuelle des Nigériens en bois et tenter une comparaison avec celle de la journée de Tabaski. Nous allons nous demander la provenance de ce bois, des sanctions prévues pour la coupe abusive du bois et enfin ce qui doit être fait pour diminuer l'utilisation abusive du bois lors de la fête de Tabaski, les actions entreprises pour la préservation des forêts face aux coupes abusives du bois. Pour cela, nous avons dans ce studio le capitaine Ide Amadou Mekido. Il est le commandant de la brigade de la protection de la nature. Bonsoir, mon capitaine. Oui, merci. Nous, euh, recevons également M. Sani Ayouba, directeur exécutif des jeunes volontaires pour l'environnement. J'y vais. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Et merci d'être venu. Comme je le disais plus haut, la Tabaski, la fête de Tabaski, c'est dans quelques jours. Au cours de cet événement, une quantité importante de bois est consommée pour la, par la population pour la grillade du mouton de la fête et la cuisson de la, de la viande le lendemain. Cette grillade est une obligation, une pratique recommandée par l'islam. Je vous propose d'écouter tout d'abord cet entretien que nous a accordé au téléphone Oustaz Zahal Douya. Le fait euh, de griller un animal sacrifié à l'occasion de la fête de Tabaski, cela relève euh, de l'habitude. Donc c'est devenu une tradition et ce n'est pas une recommandation ou une exigence de l'islam. Elle est même euh, plus souhaitable au nom de l'esprit du partage, de partager la viande rapidement pour servir les nécessités. Peut-être certains en n'ont pas envie, ils ont passé de longs moments sans manger de la viande. Donc, il est plus intéressant de distribuer euh, le plus tôt possible. Mais à travers le fait hein, de griller, de frire et ensuite, vous voyez, il y a toute une chaîne de gaspillage. Le gaspillage du bois, le gaspillage du temps. Parfois, pour un mouton, on voit plusieurs personnes se mettre pendant plusieurs heures s'occuper du mouton. Et parfois, même la grillade est accompagnée de certains assaisonnements, de condiments et même de l'huile. Et pour atteindre l'autre, l'autre étape, le fait de mettre ça encore dans l'huile. Et on voit que il y a le gaspillage de temps, le gaspillage de moyens, le gaspillage du bois, donc le gaspillage de l'argent. Et on peut mettre ce temps pour autre chose. Alors que l'islam condamne le gaspillage, quel qu'en soit la, forme, on sait que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié celui qui gaspille, celui qui dilapide, comme étant le frère de euh, Satan. Donc la meilleure façon est d'être plus économique, gaspiller du temps. Et moi, je pense que à travers la façon de griller ensuite c'est passé plusieurs étapes. Moi, je pense que quelque part, même la qualité des viandes d'un point de vue nutritif est diminuée. Vous venez là d'entendre Oustaz Haladou Yahya et comme vous venez de l'entendre, le mouton abattu le jour de la fête de Tabaski n'a pas besoin d'être grillé pour valider le sacrifice. Il est plutôt recommandé de mettre la viande à disposition des nécessités très vite. Je commence par vous, Sani Ayuba. C'est donc un gaspillage de bois qui est fait ici au Niger e-, Effectivement, on peut parler d'un gaspillage parce que... Euh, euh, je pense que euh, peut-être le capitaine dira les chiffres par rapport à la consommation du bois. Mhm. pour la région de Niamey ou peut-être pour le Niger entier. Donc c'est énorme, c'est un gaspillage énorme. L'année dernière, euh, par il Niamey a battu le record en termes de consommation, plus de 54 000 tonnes, rien que pour la seule journée de Tabaski. Donc, et on ne peut pas comprendre cela ou continuer à accepter cela dans un pays sahélien un pays désertique, un pays où nous avons de plus, de moins en moins de forêts, de moins en moins de bois. Mm. Donc, il est important que les gens prennent conscience de cet état de fait et voient comment réduire euh, euh, cette gaspillage. Surtout que Maintenant, le marabout a clos les débats. Ce n'est pas une recommandation divine, ce n'est pas, ça ne fait pas partie mm. aussi de la validation du sacrifice. Mm. Alors, euh, capitaine Mekido, d'où provient ce bois qui est utilisé par la population euh, le bois qui provient, euh, le bois que Niamey consomme vient des axes différents qui, aux alentours de Niamey. Il y a Torodi, il y a Kolo, Saï, Walam, Filengue et Tilaberi. Et encore, il y a des axes secondaires dont euh, certains usagers utilisent, mhm. comme vers Fatay, comme vers Congo et sur le fleuve encore. Fataï, c'est toujours dans le Niger C'est toujours dans le Niger. Euh, vers euh, Karma, c'est dans la zone, la commune rurale de Karma. Hmm. Et, cette euh, coupe, c'est une coupe abusive ou bien c'est dans la normalité que ces bois. oui, on, ne peut pas dire totalement que c'est une coupe abusive, mais quand même, quoi qu'il en soit, il à travers la coupe, il doit avoir toujours des interférences, c'est-à-dire euh, euh, une partie qui est abusive. Par mhm. exemple, on peut donner, on peut dire que le quotidien moyen que la ville de Niamey consomme. Oui, justement, euh, la consommation annuelle même du bois. Oui. Quotidiennement, nous avons estimé ça, selon nos enquêtes de l'an passé, ça lève 696,2 tonnes par jour, soit par an 2050, eh, 254 129,4 tonnes par an. C'est des chiffres énormes. Oui, c'est des chiffres énormes. Et donc, on peut dire que 200, 247 843,3 tonnes euh, pour le bois de feu et, 6, et 6 280 86,03 tonnes mhm. charbon de bois. Mhm. Parce que dès qu'on dit bois énergie, y compris le bois de feu et le charbon de bois. Mhm. Et voilà. Et qu'en est-il de la consommation en bois euh, le jour de la fête Le jour de la fête, tout à l'heure, j'ai entendu eh, l'interview du, l'Imam Et il doit ajouter aussi, il y a gaspillage de l'eau, c'est le danger rare de l'humanité. En dehors du bois, en dehors du temps, il y a l'eau aussi. Mm. Et c'est pas recommandé parce que nous tous nous, imitons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence euh, Mecque et Médine. Et dans aucune de ces villes, les gens ne font pas le même, euh, la même pratique que nous faisons. Donc vraiment, on doit aller on doit aller pour sensibiliser notre population qu'on doit changer cette mhm. habitude. Parce mhm. que mhm. nous, étant pays sahélien, confronté au problème de la désertification, on doit changer nos habitudes. Sani Ayuba le marabout l'a notifié tout de suite que cette grillade en masse des moutons lors de la tabaski n'est pas recommandée par l'islam. Et on sait que visiblement cette pratique est nuisible à l'environnement puisque ce sont quand même des tonnes de bois qui sont brûlées. Oui, effectivement. En fait, euh, quand on regarde, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est depuis toujours, les gens savaient que ce n'est pas recommandé par la religion, mais c'est plus l'effet des modes. Parce que même au Niger, ce n'est pas partout on fait la griade. Alors, quand vous partez, moi j'ai l'habitude d'aller à Zender rien que pour constater ça, pour célébrer Tabaski et voir l'ambiance qu'il y a. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'ils ne célèbrent pas. Ils font bel et bien la Tabaski comme on le fait partout dans le monde. Seulement, ils n'ont pas cette tradition. Donc, c'est plus une tradition que vraiment un événement proscrit par la religion. Mhm. Donc, je pense que c'est pourquoi il est important que les autorités, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des citoyens, qu'on prenne tous la responsabilité, que les autorités aussi prennent on cherche cette question pour dire il, n'est plus acceptable que nous continuions à permettre à ce que les gens font euh, des grillades énormes partout. Mhm. Parce que le problème du gaspillage, ce n'est pas en fait que euh, les gens font les grillades, c'est parce que chacun fait un petit groupe. Vous allez voir, moi par exemple, dans mon quartier, il y a plus de 10 concessions. Mais au lieu qu'on se réunisse ensemble pour faire une grillade, commune, donc chacun préfère, si tu as deux moutons, tu fais, l'autre il a deux moutons. Ailleurs, vous allez voir, c'est cinq personnes qui font. Alors pourquoi on ne peut pas se réunir Et même, parce que les dangers, même, c'est souvent dans les quartiers qu'on fait la grillade. Mhm. Alors on peut trouver dans chaque quartier, trouver des espaces dédiés spécifiquement à cela, ou bien là où il y a des grandes cours, voir comment aménager des, mm. espaces, dédiés à la grillade. Mm-hmm. Donc il faut que les gens comprennent pourquoi on parle de ça aujourd'hui, pourquoi c'est devenu un problème. Aujourd'hui, notre pays est plus que jamais confronté aux effets du changement climatique. Mm-hmm, mm-hmm. Et rien qu'à travers la provenance du bois, dont euh, les capitaines viennent de dire tout à l'heure, on se rend compte que le bois est transporté ou bien vient spécifiquement, en tout cas en majorité, tout au long de la vallée du fleuve. Alors aujourd'hui, le problème du fleuve, c'est quoi en plus de la pollution, c'est l'ensablement. Alors, les arbres là, si on continue de les couper comme ça, donc parce que les arbres jouent un rôle très important dans le cadre en fait de la protection des berges pour empêcher à ce qu'il y ait du sable mm-hmm. au sein du fleuve. Mm-hmm. Alors, si on continue de couper, c'est normal que cet effet soit accentué. Donc, il faut que les gens comprennent qu'il y a un corollaire par rapport à chaque action que nous faisons. Donc, plus on consomme du bois, plus on on ne va plus se plaindre alors pour dire que le fleuve est ensablé, l'État doit faire quelque chose. Mm. Donc l'État aussi doit, euh, à travers les services des eaux et forêts, doit faire des efforts pour maintenir cela, réglementer davantage, amener les gens à respecter cela. Je connais, j'ai été à Toro aussi, j'ai vu où c'est assez réglementé. Il y a des forêts qui sont réglementées, il y a une organisation puisque nous, on a l'habitude, de, on collabore avec l'association des exploitants du bois, qui nous explique souvent comment ils collaborent avec les services forestiers et même les exploitants du bois au niveau des communautés, mm. où ils ont des forêts dédiées, ils coupent, ils plantent, ils font la régénération, ils font l'entretien. Donc là, ça permet de maintenir cela. Mais à ces rythmes, on ne peut plus, on n'est plus en mesure d'avoir du bois nécessaire pour continuer à, euh, faire la grillade. Alors, capitaine euh, Yacouba, dites-nous euh, la coupe idée autant pour moi. Et cette coupe euh, du bois, elle est faite sous autorisation ou bien Comment ça se fait eh, Normalement, ça doit se faire sous l'autorisation. Parce que, eh, vous savez, eh, je peux me résumer qu'au niveau des localités, c'est là où il y a la ressource. Comme il vient de le dire, on a mis des structures de gestion locale. Par exemple, euh, l'État arrête procéder une, une partie de ses pouvoirs à la population locale. C'est-à-dire euh, Là-bas, il y a des structures de gestion euh, locale pour les forêts. Mhm. Il y a les forêts qui sont sous aménagement, donc il y a les SLG, le groupement. Euh, euh, il y a les SLG, c'est-à-dire c'est des, des, gens qui sont organisés ils ont leur structure, ils ont leur président, ils ont leur trésorier, mhm. ils ont leur bûcheron, ils ont leur brigadier qui contrôle la forêt en commun accord, en synergie avec euh, le service de l'environnement local. Mhm. Mm, là, on peut parler d'un euh, marché rural, c'est-à-dire qu'un marché, la forêt est sous contrôle, sous aménagement avec la population locale. Mhm. Et les revenus là-bas, il y a 50% qui revient à la structure euh, de gestion locale. Et encore, euh, les autres 50% sont partagés entre les collectivités, toujours dans la localité, parce que la collectivité. Mhm. Il y a la collectivité, il y a le trésor public. Donc, euh, c'est comme ça. En dehors de, de marché contrôlé, il y a le marché orienté. C'est-à-dire, c'est là où on ramasse uniquement la population et organisée en SLG. Et elles ramassent le bois mort uniquement, mais sous contrôle. Sous contrôle. C'est eux qui contrôlent, c'est eux qui font tout. Et disons, c'est elles qui font tout, la population locale. Elles ont l'autonomie d'aller sillonner, contrôler leur forêts, ramasser ce qu'il faut, c'est-à-dire les bois morts, venir sur euh, leur comptoir, estérer. Et de là-bas, encore, il y a le partage. Il y a une partie qui revient à la, euh, au SLG il y a une partie qui revient à la collectivité et au niveau du trésor public. Mhm. Et aussi, il y a les, forêts comme ça, l'exploitation incontrôlée, c'est là où le service de l'environnement délivre les papiers. Est-ce que ici au Niger, vous, enregistrez le plus souvent de cas de coupe ou de bois Ça, c'est tous les jours. Mhm. C'est comme Niamey, il y a mille policiers, 1000 gendarmes, mais on ne peut pas éradiquer totalement euh, euh, euh, le vol. Mm-hmm. Toujours il y a des cas, surtout que c'est des coins éloignés, c'est très difficile à contrôler, à accéder. Toujours il y a des cas comme ça. Et la loi a prévu des sanctions. Nous allons y revenir sur les sanctions. Sani Ayuba qui dit utilisation abusive du bois, dit coupe abusive du bois, du bois en même temps dans les forêts. Et c'est une situation qui visiblement risquerait de conduire le Niger à la déforestation ou bien à la désertification. Qu'est-ce qui doit être fait pour euh, éviter cela? Euh, je pense que ce n'est pas en train de conduire. Le Niger est déjà un pays euh, désertique. Donc, euh, on n'a même pas de forêt parce que souvent, quand on dit la définition des forêts, il faut définir selon que tu es dans un pays sahélien ou un autre pays. Donc, je pense que il est, il est vraiment urgent que euh, nous puissions, en tant que, en tant que citoyens, en tant que Nigériens, qu'on puisse prendre en compte cette question dans nos politiques publiques. Mhm. Déjà, il y a des lois qui existent. Donc, le respect pur et simple des lois à mon avis, va permettre d'un peu réglementer ou bien de réguler euh, euh, ce gaspillage ou cette coupe abusive du bois. Mm. Et en même temps, il va falloir faire des sensibilisations pour que les citoyens eux-mêmes puissent s'approprier. Parce que souvent, les gens ne, voient pas la portée de leur action. Mm-hmm. Donc il faut voir comment sensibiliser davantage les citoyens pour comprendre la nécessité de réduire la consommation du bois, de prendre que ce qui est nécessaire, ce qui est utile. Mm-hmm. En plus de cela, il est, à mon avis, très important euh, qu'on puisse voir comment créer des structures au niveau communautaire pour que euh, les forêts où chaque fois qu'on coupe, qu'on puisse replanter, qu'on puisse aider à la régénération. Mhm. Ça, c'est, à mon avis, c'est un point très important qui va permettre à ce qu'il y ait chaque fois euh, la pérennité. Et en plus, il y a des alternatives. Oui. Justement, est-ce que vous pensez qu'on devrait faire la promotion du gaz et du, du, charbon pour freiner la coupe abusive des, des bois D'abord, euh, la question du gaz. La question du gaz, c'est clair, nous, en tant qu'activistes ou sensibles à ces questions environnementales, la question du gaz, elle est aussi, elle émet des gaz à effet de serre. Mais nous sommes dans un pays, un pays en voie de développement, donc on ne va pas sacrifier. S'il faut faire le choix entre utiliser du bois ou utiliser du gaz, euh, par rapport à la disponibilité des ressources que nous avons, nous allons conseiller aux gens d'utiliser du gaz. Mm. Le charbon, il y a plusieurs types de charbon. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un kilo de charbon, il faut, paraît-il, brûler jusqu'à 10 kg de bois. De, bois. Donc, 7, 7, kilos, voire 7. Donc il faut faire le choix parce que d'autres vous disent que non, nous on ne gaspille plus, on n'utilise pas du bois, mais on utilise du charbon. Mhm. Mais pour avoir le charbon, la quantité qu'on a, mieux vaut utiliser du bois que d'utiliser le charbon des bois. Mhm. Mais par contre, il y a le charbon minéral qui est là, où notre pays a un gisement très important qu'il faut juste voir comment décarboniser, comment rendre ça accessible et l'utilisation, euh, une utilisation, que, euh, euh, même l'utilisation, que ça soit traité, que les gens puissent l'utiliser de manière plus aisée. Mhm. Donc, à mon avis, nous allons conseiller aux gens d'utiliser le charbon minéral. Mais pour ce qui est de la grillade, le mieux serait, si les gens doivent faire de la grillade, qu'ils utilisent vraiment le, euh, bois, le bois, mais qu'ils voient comment utiliser le bois sans pour autant trop gaspiller. Parce qu'aujourd'hui, il y a des foyers améliorés ou bien même des fourneaux. En tout cas, il y a plusieurs technologies ou procédés que les gens peuvent faire. Moi, j'ai vu l'année dernière, il y a eu assez d'innovations dans la manière de griller euh, sans pour autant utiliser beaucoup de bois. Mhm. Donc, et c'est cela que nous comptons faire à partir de cette semaine pour montrer des images que les gens peuvent changer tout en faisant la grillade, mais vraiment réduisant la consommation du bois. Capitaine Idée, vous avez quelque chose Et surtout, euh, je reviens sur euh, la production de charbon. Oui. Et là-bas, vraiment, c'est un travail énorme. Surtout que le charbon, le bon charbon, c'est du bois frais. C'est même pas le bois vert, c'est du bois frais. Mhm. C'est-à-dire que c'est l'arbre vivant que les gens coupent. Coupe pour, euh, Et vu vraiment notre situation géographique, nous vraiment, nous sommes très sensibles par rapport à l'utilisation du charbon. Mhm. Vraiment, pour nous, c'est pas la meilleure méthode. Si on peut utiliser. Pourquoi, pourquoi donc eh, Nous, vu notre situation géographique, nous, on est à la grande porte du désert. Mhm. Le Niger, c'est un pays désertique même, parce que plus de deux, tiers est désertique, il faut voir. Et encore, même là où on parle que c'est le Sahel ou bien une partie soudanienne, on est fortement attaqué. Avant à l'indépendance, on était, je ne sais pas, 6 millions. Aujourd'hui, on parle de 20 ou 17 millions. Et mhm. on est toujours sur 1 267 000 km. La terre, ce n'est pas le caoutchouc. Mhm. Il faut voir, et nous, nos animaux, nos activités, c'est des fardeaux énormes mhm. pour la gestion environnementale. Vraiment, on doit changer. Même si on doit utiliser le charbon, on doit vulgariser le charbon minéral, nous avons ça en quantité. Ou bien le gaz, il faut une formation parce qu'il y a des dangers pour la mhm. population eh, eh, locale, il faut vraiment une formation intense pour l'utilisation. Pour la question euh, des coupes euh, sauvages de bois dans les forêts, est-ce qu'il existe des sanctions euh, pour cela Oui, il y, a, toujours des sanctions. Par exemple Il y a tout récemment, il y a la loi 2004, 2004 qui sanctionne à son article 82 et 83 qui prévoit des sanctions énormes par rapport à ceux ou bien à celles qui coupent le bois d'une manière informelle. Mhm. Il y a d'une manière informelle, il y, a, il y a, des sanctions. Par exemple, euh, vous m'excusez, il y a des sanctions qui varient de, de 30 à 300 000 ça dépend de la peine, ou bien de 50 à 500 000, ça dépend, euh, De, la peine, mhm. oui, de la manière dont la personne a coupé, ou bien de le milieu même. Parce qu'il y a des milieux et protégés dans les réserves, dans les forêts classées, ou bien dans les espaces verts. La même sanction n'est pas comme dans les forêts libres. Comme il n'existe pas de peine d'emprisonnement Si, toujours chez nous, il y a des peines d'emprisonnement. Oui. Parce que eh, en matière environnementale, nous, ce que nous protégeons, ce n'est pas un véhicule ou bien une bouteille que l'homme peut fabriquer à la seconde. Mhm. L'arbre, vraiment, c'est une question de temps, sauf Dieu qui est capable. Mhm. de, fabriquer et eh, de, faire l'arbre, il faut voir combien la, durée de vie, mhm. combien de temps qu'on peut avoir un diamètre ou bien telle longueur. Donc, ce n'est pas un objet comme ça que l'homme peut fabriquer. Oui. Donc, cause pour laquelle vraiment il y a les lois, c'est des mesures vraiment très rigoureuses par rapport mais, à... Euh, mais est-ce que ces sanctions-là, elles sont mises en vigueur Nous, nous faisons de notre mieux. Tout récemment, ou y a-t-il euh, un cas que vous pouvez nous dire que vous Il y a tellement de cas. Et, bon, les deux mois, nous avons travaillé ici aux alentours. Euh, il y a les copes abusives dans la ceinture verte. Mhm. Et à travers nos missions de routine vers, euh, dans la zone de Torodi, plus précisément vers Makolondi ou bien à Kirtashi. Chaque fois, nous faisons des incursions. Oui. Sania Yuba, vous venez d'entendre ces sanctions. Est-ce que vous pensez que c'est des sanctions suffisantes ou bien Oui, je trouve qu'il faut toujours des sanctions, mais <clears throat> c'est dans l'application. Mm-hmm. Il est vraiment important qu'il y ait euh, euh, que les forestiers soient rigoureux dans l'application de ces sanctions. Parce qu'aujourd'hui, souvent, par rapport, à ces, par rapport au constat, on se rend compte peut-être est-ce que véritablement les sanctions là sont respectées Parce qu'il ne s'agissait pas juste d'embêter la personne 30 000 ou 50 000, après la personne va retourner euh, commettre les mêmes forfaits ou bien ne pas respecter ce qui a été préétabli. Mm. Donc, à mon avis, il va falloir à ce niveau qu'il faut faire des efforts pour respecter ce qui existe. Et en plus de ça, aider les gens à comprendre, ou bien les obliger à faire des, travaux communautaires. Quand tu fais des forfaits comme ça, quand on t'attrape, en plus de la sanction pénale ou de l'amende, au moins amener les gens à faire des travaux communautaires pour restaurer ou régénérer mm. euh, ce qu'ils ont eu à faire. Mm. Et puis quand vous regardez autour de Niamey chaque soir, euh, euh, les, camions qui passent mm-hmm. ou, les charretiers qui transportent du bois. Souvent, on se dit, mais d'où est-ce que le bois sort mm-hmm. Souvent, alors qu'il il y a une disparité. Parce que euh, quand vous partez en milieu rural, souvent c'est là-bas que vous ne trouvez pas du bois. Mais dans les grandes villes, puisque ça coûte cher, puisque c'est devenu marchand, les gens font toujours des efforts pour, mhm, avoir du bois et faire de la spéculation, surtout à l'approche de la fête. oui. justement, à l'approche de cette fête de Tabaski. Oui, Captain. Par rapport aux sanctions, mhm. moi, euh, à mon avis, vraiment, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser davantage il faut sensibiliser les gens parce que pour que chacun soit responsable. L'affaire de l'environnement, la gestion, il est vrai, nous sommes en tête de la marche, mais c'est un devoir de nous tous, vraiment. Si y a la, moi, je pense que la sensibilisation vaut mieux que la sanction. Mhm. Parce qu'en Europe, il est vrai, et ils, sont, ils, savent, ils maîtrisent. Et il y il y a la rigueur dans l'application des règles mais quand même, c'est des gens cultivés, éduqués, surtout l'éducation. Mhm. Surtout l'éducation. Parce que le premier concerné, c'est celle ou bien celui qui coupe. Parce qu'il vit eh, dans l'environnement. C'est lui qui sent eh, s'il y a mhm. quelque chose. Mhm. L'homme, eh, par exemple, Dieu, lui, il tolère toujours l'homme, de femme et la nature. Quand tu ne la tolères pas, elle ne va jamais te tolérer. Oui. Et donc, euh, un autre constat, à l'approche de la fête euh, de Tabaski, on, voit le plus souvent des camions de l'État qui rentrent avec du bois à Yami. Comment expliquez-vous cela Est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre fin à, ce, cela Bon, les camions de l'État, euh, le camion de l'État et aussi ils partent dans, dans les marchés ruraux. Par exemple, à Torodi, ils vont s'acquitter de leurs euh, transactions. Mais nous, à notre niveau, on donne l'autorisation. Pourquoi Parce que dans nos, dans nos lois, eh, en matière de commercialisation de bois, il y a quelque part que la loi dit que, sauf le, le, commerçant transporteur qui a le droit eh, de conduire le camion. Mm-hmm. Comme eh, la fête, c'est un cas très spécial, comme on vient de dire, c'est la tradition. Et, je pense, nous pensions que les camions ne peuvent pas couvrir la seule journée parce que c'est un temps très limité. C'est un seul jour. Et tout le monde, tout un chacun a besoin du bois. C'est ça qui fait que toi, quand tu as ton véhicule, tu préfères aller vite ramasser du bois et venir répondre à, tes, besoins. Mm-hmm. Mais ce qui est conseillé, il faut que les gens là, qui partent dans des horizons différents, qu'ils arrivent vraiment à s'acquitter de leur eh, eh, eh, de, de, leur quittance, de leur oh, eh, eh, obligation, c'est-à-dire de prendre le coupon. En ce moment-là, à travers le coupon, il y a des revenus qui reviennent à la réfection de l'environnement parce qu'il y a des fonds d'aménagement mm. dont l'autre disait. Moi, pour moi, c'est vraiment la sensibilisation parce que nulle part dans le Coran et dans les hadiths, ça n'a pas été cité que il faut griller la viande avant, avant qu'on puisse le, euh, euh, le distribuer. Vraiment, on pour, doit changer Pour revenir un peu sur la question des véhicules euh, d'État, quelles sont généralement les structures d'État qui, font les demandes Il y a les sociétés. Tout récemment, moi, j'ai reçu une liste d'Assegna, le service d'Assegna. Ils sont venus comme c'est des fonctionnaires, ils ont leurs moyens, ils ont fait la liste. Moi, je les ai autorisés. Nous, on donne l'autorisation, on leur indique ils doivent nous dire si c'est l'axe Torodi ou bien axe Saï ou bien vers Colo. La personne est censée de nous dire ça. On va l'orienter. Et malheureusement, je n'ai pas amené une de nos autorisations parce que je note toujours en bas, nota la personne doit s'acquitter euh, euh, du coupon dans, au niveau du marché rural le plus proche ou bien au service des eaux et forêts le plus proche. Mm-hmm. Parce que toujours j'écris ça quelque part pour que la personne va s'acquitter de sa redevance, eh, pour que eh, la, population locale s'avantage. Mm. Sani Ayuba, qu'est-ce que vous pensez de cet état de fait ah, je pense que, à mon avis, euh, ils ne devront pas autoriser les véhicules administratifs à aller chercher du bois. L'année dernière, je pense qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça diffusés sur les réseaux sociaux où les gens euh, cherchent à comprendre pourquoi. Parce que les forestiers ou bien les services, on est dans un où il faut gérer l'environnement, les ressources qu'on a de façon juste et équitable. Malgré que la journée soit une journée assez spéciale, je pense qu'ils euh, doivent faire assez de rigueur pour dire non, vous n'êtes pas habilité parce que le transport du bois est réglementé, ce n'est pas euh, à eux d'aller transporter, ils font de la concurrence déloyale. Et en plus, malgré l'autorisation qu'ils ont, ils ne vont pas payer la plupart ils vont juste brandir quand ils vont dans les marchés ruraux, ils vont juste brandir euh, les documents. Ils ne vont pas s'acquitter mhm. des, taxes et autres qui vont permettre à ce que les services forestiers ou bien euh, les cellules d'aménagement puissent bien faire leur travail. Mhm. Donc, à mon avis, ils doivent arrêter de faire, euh, de donner des autorisations à des véhicules officiels ou à des véhicules personnels d'aller transporter du bois parce que là, ça sort hors du contour. Malgré que c'est une journée spéciale, on avait dit que c'est une journée spéciale, c'est un effet de mode. Donc on n'est pas obligé, ça ne va pas, ça ne voudrait pas dire que quand tu ne fais pas la grillade, ton sacrifice n'est pas accepté. Mhm. Donc c'est lui qui arrive à trouver du bois. Ça peut même inciter les gens à dire que non, il y a trop de casse-tête pour trouver du bois. Donc moi, dès que j'ai fait les sacrifices, je partage la viande. Mhm. Dans tous les cas, le sacrifice sera accepté, que tu grilles ou que tu ne grilles pas. Donc mhm. je pense que les services euh, de l'environnement ou même en termes de responsabilité euh, d'éco-citoyens, les gens, ceux qui sont assez, parce que c'est des intellectuels qui sont dans ces services, doivent avoir un regard positif par rapport à l'environnement. Ils ne doivent pas se dire que c'est la fête, il faut qu'on aille parce qu'on a les moyens acheter un tas de tonnes de bois pour venir brûler. Mm. Capitaine Idée. Euh, euh, par rapport à ça, j'ai deux mots à dire. Mhm. C'est bien ce qu'il a dit, on note, on va amener qui de droit, <laughs> parce que c'est la loi qui va légiférer. Mhm. Et désormais, dans la révision des, ou des, des, règles et des ordonnances dans la loi, nous allons soumettre que désormais, que uniquement les, lors des grands événements, même les camions personnels ou bien administratifs n'ont plus droit. On va mhm. faire la proposition, mhm. voir si ça peut passer. Mais comme ça n'a pas été indiqué nulle part par la loi, on ne peut pas. Oui, est-ce que euh, pour les que ça soit pour les camions personnels euh, ou bien les transporteurs, les vendeurs de bois, est-ce qu'il y a des normes à respecter, une quantité qui doit être respectée euh, La quantité, ça dépend de eh, la contenance du camion ou bien du camionnette, eh, de la camionnette. Par exemple, dans les zones incontrôlées, là où les forestiers délivrent eh, les coupons, mhm. Lister, c'est un mètre cube de bois, de volume. Là-bas, la personne doit normalement s'acquitter et sa redevance par mètre cube de bois, ça doit faire 975 francs. Hmm. Par volume de bois, par un mètre cube de bois. Et s'il s'agit d'un marché orienté, c'est 375 francs. 375 hmm. francs. S'il s'agit d'un marché contrôlé, c'est 350 euh, euh, francs. Est-ce que vous voyez hmm. Donc tout ça, c'est pour orienter les gens, à aller vers les gestionnaires de forêts. Mais est-ce que vous pensez qu'ils respectent ces normes Est-ce que vous contrôlez une fois arrivé ici à Niamey On contrôle rigoureusement, vraiment. Nous, nous contrôlons. Nous, nous faisons de notre mieux. C'est comme maintenant, je viens de vous dire qu'il y a mille et, mille je ne sais pas encore, euh, des gendarmes et des policiers, mais toujours il y a des cas de vol. Mm-hmm. Ça, ça ne peut pas en manquer. On, fait, on tente de faire notre mieux on fait vraiment de notre mieux par rapport au contrôle. Sani Ayuba. Euh, Ce qu'il a dit, vraiment, c'est pertinent, on note. Et vous savez, pour réviser une loi ou bien une ordonnance, il faut du temps. Mhm. Donc, nous, vraiment, c'est des aspects comme ça qu'on doit écrire, déposer. Désormais, s'il y a ces révisions, nous, on va faire la proposition vraiment, c'est un bienvenu pour nous, pour la conservation de l'environnement. Merci. Alors, Sani Ayuba, en tant qu'activiste pour la préservation de l'environnement, qu'est-ce que vous, vous comme action pour la préservation des forêts face aux coupes abusives du bois D'abord, nous, comme il disait, on, euh, on a présenté plus nos interventions euh, au niveau des femmes. Et là, c'est plus des actions de communication de proximité euh, on fait souvent des débats communautaires. Et là, depuis 2014, nous sommes euh, dans la promotion de l'utilisation de la balle de riz comme combustible en remplacement du bois à travers euh, un nouveau type de foyer amélioré que nous avons appelé les fours à balle de riz qui utilisent cette balle-là comme combustible, donc qui, qui, permettra en tout cas aux femmes qui l'utilisent de ne plus acheter du bois ou bien de ne plus aller euh, dans la brousse ramasser du bois ou bien abattre des arbres pour avoir du bois. Donc ça, c'est un aspect très important que nous avons développé de 2014 jusqu'à maintenant. Même cette année, nous continuons tout au long de la vallée du fleuve Niger pour dire que nous avons plus de, on a des quantités énormes de balles de riz euh, là où il y a les rizières, là où il y a la société des rues du Niger, que les gens peuvent aller récupérer gratuitement et l'utiliser. Il y a d'autres formes aussi qui ont été développées, telles que la, briquette des balles de riz, qui peut également être utilisée. Qu'est-ce qu'on entend par briquette Briquette, en fait, c'est utiliser, au lieu d'utiliser directement la balle de riz, on mm. peut transformer ça avec une moule et puis mettre de la gomme arabique. Ça devient comme, si, comme un morceau de bois. Mm. Et là, euh, peu importe le type de foyer que vous avez, vous pouvez l'utiliser comme du bois. Mm-hmm. Donc là, ça va permettre aux gens, puisqu'on a une quantité énorme de balles de riz produites chaque année qui est gaspillée ou bien qui n'est même pas utilisée parce qu'elle n'a même pas, elle aucune euh, valeur marchande, on oriente les femmes dans ce sens. Mm. Également, nous faisons des communications via les réseaux sociaux parce que notre public c'est plus les jeunes et les femmes. Donc nous, faisons des publications pour montrer aux gens, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a bel et bien des, moyens pour, euh, pour réduire la consommation, du, bois. Il y a des, des, systèmes ou bien des technologies que les gens peuvent utiliser pour réduire cette consommation du bois et avoir mm. moins de pression sur les forêts. Comme je vous disais, quand on voit tout au long de la vallée du fleuve que le bois, euh, euh, la provenance du bois, on s'est dit que on ne doit pas s'étonner de, mhm. de du fleuve, tout ça. Donc on fait les corrects pour montrer que c'est vraiment un ensemble, une succession d'actions qui permet d'impacter euh, euh nos vies. Et mhm. donc les gens, de façon, en, en s'appropriant ces notions, euh, peuvent dire que d'eux-mêmes que nous allons réduire ou bien nous allons faire des, des, efforts. Et mhm. nous aussi, nous essayons d'être l'exemple de ce que nous prêchons. Parce que il ne s'agit pas de venir ici à, Studio Kalango pour dire de ne pas utiliser du, bois, alors que moi j'ai déjà une tonne de bois chez moi rien que pour deux moutons ou un seul mouton. Mhm. Donc nous essayons nous-mêmes de montrer l'exemple et nous pensons que tous nos membres ou bien les gens qui nous suivent vont aussi emboîter les pas pour comprendre que ce n'est pas une question économique, c'est vraiment une question d'intérêt écologique, c'est une question pour les générations actuelles et futures. Donc on ne peut pas imaginer un Niger sans arbres dans 50 ans. Vous voyez, donc il faudrait que le Niger que nous avons trouvé aujourd'hui, qu'en la rendant aux générations futures, que nous la rendons plus meilleure. Mhm. Captain Idée, je reviens vers vous. On sait que la forêt joue un rôle important sur l'environnement et la société parce que en procurant aux populations vivant en forêt ou à sa lisière parcours et bois de feu, dites-nous, est-ce qu'il y a des textes réglementaires régissant la gestion des exploitations forestières il y a Plusieurs textes qui réglementent la gestion des, forêts. il y a plusieurs textes, par exemple au niveau des de prélèvement, l'ordonnance 92-0 37 qui parle de la commercialisation de bois qui rentre dans les grandes agglomérations comme Niamey et même aussi dans les réserves et même au niveau de, de toutes les ressources, de toutes les ressources comme l'eau, les grandes réserves, là où il y a la faune, il y a tellement assez de lois et de règles qui régissent ça. Mm-hmm. Oui. Et ils viennent de dire que tout le bois là proviennent de la vallée du fleuve. On va dire que même nous tous, au Niger, là, c'est 75% de la population dépend de la vallée du fleuve. Toute la population, leur vie est liée dans la vallée du fleuve. Et là où on pense, on peut avoir du bois, c'est la zone d'abondance. C'est la zone d'abondance là où il y a le bois. Et ce qu'il vient de dire là, c'est très pertinent. Mm-hmm. C'est réel. Et le fait que le fleuve est ensablé. Mm-hmm sauf l'arbre, sauf la végétation qui est capable d'annexer et d'amondir l'écoulement de l'eau, qui peut résister à l'eau et à la désertification, non seulement au vent violent, non seulement aux écoulements et à la chaleur. Mm. C'est sauf l'arbre qui est capable. nous sommes en train de limiter ce que la nature est en train de projeter, que Dieu a fait, les plafonds là, la couche d'ozone. Mm-hmm. Sauf l'arbre qui est capable d'émettre quelque chose qui va entraver les rayons ardents du soleil et sur, notre vie, mhm. sauf l'arbre qui est capable de faire ça. Et en dehors de l'utilisation, comme vous venez de dire, essentielle, euh, moins de déplacement, moins d'abri et moins d'énergie, sa valeur dépasse ça. Mhm. L'arbre, c'est des filtres naturels. On peut faire 24 heures sans boire l'eau, mais on ne peut pas faire 24 heures sans boire et, on sans utiliser l'arbre. Mhm. Parce que l'oxygène là que nous respirons provient euh, de l'arbre. C'est des filtres naturels. Dieu l'a fait pour tamiser euh, le monde entier. Sinon, la remarque, elle est palpable. Il faut voir, malgré nous ne sommes pas dans des zones côtières comme le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, des zones de forêt, mais il faut nous comparer ici à Agadez, Là-bas, là, les, rayons de soleil sont plus ardents, sont plus piquants qu'ici. Mhm. Pourquoi Parce que ici, par rapport à là-bas et à là-bas, il y a une différence. La différence est nette. Nous avons encore la végétation qui domine un peu. Mhm. Donc, euh, vraiment, c'est une préoccupation eh, que chacun de nous qui doit attirer toutes nos attentions, chacun de nous, ça doit attirer notre attention. On doit accorder une importance capitale de valeur à ça. Vraiment, la question de la préservation de la ville. Sani Ayuba, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour assurer une gestion durable des forêts ici au Niger Je pense que, à mon avis, ce qui existe déjà, il va falloir renforcer cela. Parce que mm. déjà, les dispositifs existent. Mm-hmm. Euh, il y a des forêts qui sont organisées où les communautés villageoises autour de ces forêts sont bien organisées. Donc il va falloir qu'on s'apaisantisse sur Parce que s'il y a toujours des gens qui se retrouvent de l'autre côté pour détruire ce que les autres sont en train de faire dans l'organisation, c'est pas bien. C'est pourquoi il faut renforcer la sensibilisation. Mhm. Et puis, euh, ceux qui font des, des, gaffes aussi, il faut bien les sanctionner, être rigoureux dans l'application des lois. Une dernière question. Qu'est-ce qui doit être fait euh, pour, pour diminuer la consommation abusive du bois lors de, la fête de Tabaski C'est comme ce que je l'ai dit, il faut utiliser vraiment des foyers améliorés ou bien des technologies qui vont permettre à ce que les gens utilisent moins de bois. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup de technologies qui existent aujourd'hui. C'est qu'on fait là, faire les, fers à cheval avec le bois et mettre une, quantité énorme de bois, consomme, fait, euh, euh, euh, utilise beaucoup plus de bois. Mm-hmm. Mais il y a des technologies, on peut faire des cercles serrés, des trucs fermés ou bien trouver des fers en tout cas, ou même si il faut faire des fourneaux spécifiques pour cela, les gens peuvent le faire et il y en a beaucoup qui le font et marche. Et là, ce qui est souhaitable, c'est de faire comme Zender, puisque depuis toujours ça se fait à Zender. Les jeunes ne grillent pas, mais ça ne change rien par rapport au goût de la fête. Merci Sani et je finis avec vous, Capitaine Idée. Qu'est-ce qui doit être fait pour euh, diminuer la consommation abusive du bois lors de la fête de Tabaski rapidement Oui, comme il l'a dit, on doit songer vraiment à, revoir nos textes par rapport au transport avec euh, les particuliers pour dire que uniquement pour serrer les taux autour des, des commerçants transporteurs uniquement. Et de deux, comme il dit, la technologie, on doit développer, on doit sensibiliser. Par exemple, ce qu'il a dit, c'est une, bonne chose par quartier. Les gens peuvent grouper au moins pour euh, éviter le gaspillage total de bois. Mm-hmm. Et comme il a dit, les faire ou quelque chose comme ça, on doit penser vraiment à développer la technologie et surtout la sensibilisation. Comme Zander, comme Zander, c'est bon, vraiment, on doit sensibiliser nos gens. Ça n'apporte rien de plus si on laisse euh, la On doit mhm. faire comme eux comme la population des Zander, et beaucoup dans des localités. D'ailleurs, c'est ici seulement qu'on fait la grève. Moi, j'ai fait au Mali, ils font comme Zander, on coupe et on fait tout. Ce forum est à présent terminé. Merci à nos chers euh, invités. Il s'agit du capitaine Idé Amadou Mekido, commandant de la brigade de la protection de la nature. Merci, capitaine, d'être venu. Merci également à Sani Ayouba, directeur exécutif des jeunes volontaires pour l'environnement JVE. Merci Merci à vous également. Euh, nos remerciements vont également à nos chers auditeurs et auditrices. Prochain rendez-vous demain à la même heure pour une autre thématique. Au revoir.